dina am ku ci ku ci ñëw la ma koy dem euh, salaamaaleykum mbokk yi maa ngi ñëpp di leen di leen remercier pour seen teewaay waaye di nuyu tous les sénégalais un peu partout fu ñu nekk à travers le monde maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Euh, di wax ni la coalition Yewwi Askan Wi euh, comme président de nu mu ko waxee fu mu taxawoon démb fa la taxaw ba léegi dañuy xeex pour la démocratie au Sénégal. Vous euh, le président Macky Sall C'est un président qui n'est il n'est pas démocratique en 2012 Quand on a voté à la présidence de la république tous nos acquis démocratiques dafa de di par Ben. nous nous sommes contre le report des élections Nous bëgg pour que nous respecter le calendrier électoral respecter le calendrier électoral pourquoi parce que. Tout simplement, vous, je vais vous donner un exemple. Vous prenez la région de la Casamance, uniquement pour ben, un, adversaire politique. La région de la Casamance a été isolée. Le bateau ne fonctionne plus. Donc, du coup, cette région-là, sur le plan économique, déjà, nous avons un problème pour écouler les mangues, tous les fruits. Donc, imaginez-vous, le bateau, les Sénégalais, les Casamance, il faut les pour évacuer une partie des fruits une partie des fruits. Le, bateau-là a été arrêté. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe euh, sur le plan économique, euh, la Casamance est carrément isolée. Et pourquoi Parce que tout simplement, il y a un monsieur, il ne se considère pas comme un président de tous les Sénégalais. Il se considère comme un président de parti qui est en train de se battre pour que son parti ne soit pas oublié, pour que son parti soit toujours au pouvoir. Et le Sénégalais lambda, de faire un président, Bohamenteni, Galen se le on en considération les besoins de tous les Sénégalais on veut un président il est démocrate depuis combien de temps les journalistes n'ont plus la possibilité de faire tranquillement le travail depuis que le président Macky ça depuis 2021 les, les, journalistes ont du mal à faire tranquillement le travail. On a vu temps y passer. Je pense que c'était le vendredi. Nous d'or et journalistes. Nous Et ça, ça date depuis 2021. Donc, pour pouvoir sauvegarder nos acquis, nos acquis démocratiques, on doit impérativement tenir les élections euh, le 25 février. Nous devons tenir les élections le, 25 février. Pourquoi également Parce que vous avez vu que les préfets, préfets, l'unique à l'école de l'administration respectez-nous. ils sont là ils obéissent tout simplement à un monsieur Molin leen empêcher de faire ceci empêcher de faire cela alors que chaque sénégalais a le droit à l'expression on a le droit de faire des marches On a le droit wàcc sur terrain bi wax ni violence bi am lan parce que tout simplement on ne nous permet pas de nous exprimer de nous exprimer donc nak dañu les élections parce que le sénégalais est fatigué le sénégalais en a marre d'être tout le temps violenté Quel mënul ou ci terrain bi kenn mënul moune li nga on doit tenir ces élections on doit respecter le calendrier électoral parce que vous avez vu que maintenant nous ne sommes pas en sécurité avec les forces de défense et de sécurité tout le monde a vu que les forces de défense et de sécurité ils obéissent à un homme lu ñu ci droit homme lu may parce que da nga arrêter un citoyen bu fekkee da nga dafa la loi da arrêter nga yóbbu ko à la police nga entendre ko wala da jox convocation mu wuy mais nga téye nit nga japp ko diko dur, diko jox ay coup de pied diko jox ay coup de crosse tout ce qu'on est en train de vivre actuellement c'est pas normal le calendrier républicain doit être respecté à cause de tout cela mais également parce que tout simplement comme Ayib num ko amul dara dara li nga ne dafa war repousser le calendrier électoral on doit être instant en pleine campagne électorale amul Ben on a vu que dans le passé il y a un juge du conseil constitutionnel qui était décédé est-ce que tax na ba arrêté non la campagne a eu lieu les élections ont eu lieu donc c'est pas pour rassurer un parti un groupe de personnes yi nga ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas gagner ces élections là qu'on doit charcuter la Constitution, charcuter les lois de ce pays pour que nous qu'ils soient à l'aise. On ne va pas le faire. Le calendrier républicain va être respecté parce que tout simplement, euh, Macky Sall euh, dem Sénégal. Le 2 avril, Inch'Allah, il doit quitter ce pays. Il doit quitter ce pays parce que les Sénégalais sont fatigués. Depuis combien de temps euh, vous voyez que les Sénégalais ne peuvent plus s'exprimer boo waxee léegi aba ah, boo waxee léegi dañ lay fekk sa même dans les réseaux sociaux tu n'as plus le, le, le droit de parler pire on coupe les euh, nu mu les les la connexion les données mobiles amatuñu données mobiles kenn mënatul communiquer kenn mënatul wax et pourtant Macky Sall wax Macky Sall wax na Macky Sall a menacé le l'ancien président de la de la République Abdoulaye Wade neko ko boo laalee constitution dina la fekk si ba ci palais dañ lay déloger ba ci palais on a toujours euh, été dans un pays démocratique ku nek di nga wax sa di mais depuis que Macky Sall est là on a affaire à un dictateur et c'est pour cela au nom de tout cela on doit tenir les élections législatives pour que les Sénégalais qui sont en prison puissent être libérés Lolo tax euh, ñu pour que nous euh, nous les élections présidentielles mais également parce que comme nous le dit, la constitution ne le permet mais également surtout beaucoup de partis ont déjà investi combien de partis nous avons mis les candidats combien de candidats ont déjà investi jël seeni poche seen préparer ay t-shirt def ay commencer des campagnes. et à deux jours à deux jours de l'ouverture de la campagne nous n'avons qu'un et encore une fois nous ne sommes pas là pour satisfaire un homme et ses militants. Nous ne sommes pas là pour satisfaire une élite. Ils ont peur de, perdre les élections. Nous sommes là pour que le, droit ça dit, nous sommes là pour que euh, la constitution du Sénégal soit respectée. Maintenant, on va tenir ces élections. Nous la coalition Yeyu on va respecter le droit, on va respecter la constitution inch'Allah on va continuer à battre campagne Nous ngi à tous les sénégalais ñi nga xamante dañu ci di campagne continuer di battre campagne parce que ces élections là ils vont avoir lieu en tout cas nous sommes contre la euh, date qui a été choisie par Macky le 15 décembre di remercier baax merci beaucoup Assalamualaikum mbokk journaliste yi ñu ngi leen di nuyu ci téway bu am solo bi ngeen fi euh ah, seen téway dafa am rek luñ ci jàngat ndax ñu ngi dem ci ay point de presse yu bari waaye dispositif médiatique bi ah man de gisaguma ko bien que dugg nañ ci campagne électorale loolu dafa am lu muy firnde li muy firnde mooy euh, xam ngeen li yeewi askan wi di tekki ci échéance politique du Sénégal réeréewu leen ko ndax yeewi askan wi nak dañ doon wax légui moy ndeyu mbill gi parce que yeewi askan wi dafa def euh, ben jàlloore politique ci Sénégal parce que pour la première fois coalition politique au pouvoir nous eu un balotage à l'Assemblée nationale Nous avons wax une majorité majorité à un député près loolu a eu Wi mais on commence a réaliser pour la première fois au Sénégal